Bonjour, je suis Françoise Hélène Gay, présidente du collectif de défense des droits de Hadissar. Euh, nous avons, depuis la création de ce collectif, suite à l'appel que nous avons lancé le 18 mars 2021, reçu des centaines et des centaines de photos de femmes sénégalaises qui veulent afficher leur identité pour dire non au terrorisme, pour dire non à l'humiliation de, la femme, de la jeune femme Adjissar, qui, à la suite de ses déboires avec euh, Ousmane Sonko, s'est vu euh, jetée en pâture dans les réseaux sociaux et dans la presse sénégalaise. Donc, les visages qui vont défiler sur l'écran, c'est des visages d'hommes et de femmes de toute nationalité, des hommes et des femmes sénégalaises qui, ont décidé, de se mettre aux côtés de Adissar pour défendre ses droits et réclamer que la justice se fasse. Euh, nous les remercions vivement. Ils viennent de partout, de, toutes les régions du Sénégal, de tous les patelins du Sénégal, de Ziguinchor, Bignona, euh, Kédougou, Matam, Kies, Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Djobel, Ranero, partout, partout, partout de même que dans le monde entier. Nous les remercions et nous vous invitons à venir nous rejoindre. Merci. Sagamın Gala bulma tanta Tantani dom la dom Yamay ligeni gülay tanay Yektabay Mai kei toku ba musaf te bulet do tengen merma Mai kei for di pasengen di sanse di madingat tontomo Mai fowe kayam bas bune mutak samay sar lan man Buổi dịp mà đã là CPT Wow wow wow wow wow lure kër ngeen jiñ ma kenn joxuma cër ci kër gi bu ginaar sabee la jóg man duma noppaleku ba jant so juróomi weer kenn fayuma ñemeew ma laaj ne bu booba ngeen jànni ma ben montai samarangon dugen wane jamak pechem yalla dogalam budon amno lo yet sax mane ñom te dom la tanta nga tek ma fi nga tek say dom ma jël la def la yaay wane dedet sagaru mi ndaan la doon yelo ma lu baax dang ma yoni jam tanta def ma ni

Sagamon Ngalabul mabelik jam Tantanik dom la dom Damay ligay ni gundal tanay Yet nabay Mai kay toku bamusa Voilà, vous avez vu donc euh, les visages qui ont défilé sur l'écran, les visages de la résistance, les visages du courage, les visages de la dignité, les, visages qui demandent à l'État de rester fort et de défendre les droits de la citoyenne Aïssar. Aïssar, nous sommes tous debout pour défendre tes droits. Tu as des milliers et des milliers de pères, de mères, de, de sœurs, de grandes sœurs, de tantes, de badiennes, et de simplement des voisins, mais des voisins avec un grand cœur. Sois forte. Ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent rejoindre cette résistance autour des droits de Hadissar, des résistances, une résistance citoyenne pour défendre les droits d'Adissar, venez nous rejoindre. Euh, les numéros qui s'affichent vous permettront d'adhérer à nos panels WhatsApp afin que vous puissiez participer à ce combat. Merci, excellente euh, soirée à vous.